le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum Studio Kalangou, il est 18h15 c'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumeni, Bonsoir. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux de région et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Magaria, Kabalewa, Damaske, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce jeudi 23 juin 2016, nous allons largement revenir sur la situation de Difa avec la visite du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Il était sur le site de Gariwanzam qui compte quelques 25 000 déplacés. Il promet d'être le porte-parole de la communauté humanitaire auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une situation qui s'améliore de jour en jour selon le ministre des Affaires humanitaires. Mais le député de l'opposition Lamido Haruna pense, lui, que la situation est toujours préoccupante. L'ouverture ce matin du, au palais de congrès de Niamey de la 14 réunion des ministres en charge des télécommunications, de la poste et des nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'espace EDAO. il réfléchit sur la voie à suivre pour booster le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous suivrez un expert du domaine. Et pour mieux en savoir sur le sens de chaque décade du mois de Ramadan, en fin de ce forum, Cheikh Ben Salah nous édifiera sur les décades et leur importance. À l'initiative des députés de la région de Difa, les ressortissants de Difa résidents ou de passage à, de Niamey se sont retrouvés ce jeudi à Africa Hall pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire de la région. Selon le député Lamidou Moumouni Harouna, la réunion vise surtout à faire des propositions au gouvernement tendant à alléger les souffrances des populations de la région. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Honorable Lamidou Moumouni Harouna, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez là de participer à une rencontre qui avait réuni tous les ressortissants résidents ou de passage ici à Niamey de la région de Difa. Que peut-on concrètement retenir par rapport à cette réunion Oui, disons, cette réunion a été convoquée à l'initiative des députés élus sous la bannière de la région de Difa. Vous pouvez vous en douter, euh, il s'agit de la situation sécuritaire et humanitaire. Et donc, euh, nous avons échangé largement avec euh, nos compatriotes de DIFA en ce qui concerne les problèmes sécuritaires, les problèmes humanitaires, surtout qu'il y a une mission qui a été sur le terrain et qui nous a fait le point de façon précise de comment les choses se passent. Donc on leur a rendu compte, mais aussi on leur a dit un certain nombre de démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Et en même temps, on leur a demandé euh, de se mobiliser pour que nous puissions chacun, en ce qui le concerne, apporter des solutions adéquates en tout ce qui concerne le problème sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa. Vous le savez très bien, ce n'est pas facile. Les populations sont en train de se déplacer. D'aucuns parlent pour la dernière attaque de plus de 50 000 déplacés euh, après l'attaque de Bosso. Et c'est des mouvements perpétuels qui sont en train d'être observés. Et donc nous avons échangé en tant que ressortissant de cette zone, épilcher le problème, dégager un certain nombre de propositions, de solutions, mais aussi, vu sous un angle purement républicain, la gestion de l'insécurité dans son ensemble. Donc voilà de quoi il s'est agi lors de cette réunion et je pense que les ressortissants ont bien accueilli ça. Nous allons essayer de le répéter encore, mais nous allons avant tout vers le gouvernement pour euh, porter les doléances de ces populations-là pour voir dans quelle mesure on pourrait prendre des dispositions urgentes pour soulager du point de vue humanitaire les populations de place. Dites-nous concrètement qu'est-ce qui se passe par rapport à cette question humanitaire de la région de Difa. Si vous voulez, je ne peux pas vous faire un bilan précis de la situation humanitaire. Vous le savez, la région de Difa, ça fait plus de trois ans qu'elle vit dans une situation extrêmement précaire. Il y a eu les sécheresses, il y a eu la guerre, il y a eu les réfugiés du Nigeria, ensuite il y a eu les déplacés internes. Donc il y a une très forte population de déplacer. déplacés. Et vous savez très bien qu'il y a un certain nombre d'activités économiques qui ont été interdites, dans la vente du poivron, la vente du poisson et, et même certains marchés qui ont été fermés. Donc la situation humanitaire, elle est très très préoccupante, ça tout le monde le sait, personne ne s'en cache. Maintenant, quelles sont les solutions qu'il faut envisager C'est de ça qu'il s'agit. Le constat, il est fait, il est fait de tout le monde, mais quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour euh, essayer de soulager les populations C'est de ça qu'il s'agit et nous pensons que avec les humanitaires, le gouvernement et tous les autres, ils euh, sont en train de prendre des dispositions. Mais la disposition la plus urgente, c'est euh, celle qui concerne l'insécurité parce que les populations ne peuvent pas retourner à leur lieu habituel actuelle si ces lieux-là ne sont pas pacifiés et sécurisés. Entre autres recommandations que vous avez formulées au cours de cette rencontre, euh, du nous un peu. Disons, ce n'est pas des recommandations pour le moment, c'est des propositions. Je vous ai dit qu'on a écouté tout le monde. Nous allons essayer au niveau des parlementaires de faire la synthèse, de voir qu'est-ce que nous, en ce qui nous concerne, nous pouvons euh, prendre en charge du point de vue de la démarche ou de la procédure, et ensuite aller vers les autorités pour pouvoir résorber éventuellement les problèmes problèmes qui ont été constatés. C'est de ça qu'il s'agit. Suite des récentes attaques de Boko Haram contre la ville de Bosso et le camp de déplacés de Ngangam. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés avec l'expression de ma profonde compassion et de ma très grande sympathie. Les quelques heures que j'ai passées dans la région ont été particulièrement instructives. En effet, elles m'ont permis d'évaluer les conséquences désastreuses des attaques de Boko Haram, d'apprécier la rapidité et l'efficacité d'intervention tant des communautés hautes et des autorités nigériennes que de la communauté humanitaire sous le leadership de coordinateurs humanitaires pour soulager la population est sauvée des vies. Et enfin, de noter le comportement digne de ces populations déplacées, malgré la situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Je voudrais ici féliciter le gouvernement et rendre un hommage mérité à mes collègues du système Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour les efforts incessants en équipe et dans une parfaite synergie. Je salue leur engagement constant dans des conditions parfois difficiles. J'ai saisi l'occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers pour les appuis et les exhortes à rester mobilisés aux côtés du gouvernement et de la population nigérienne. C'est également la lieu de remercier notamment les ministres de l'Action humanitaire, les directeurs d'opération de la Banque mondiale, les directeurs régional de l'Organisation internationale de la migration pour avoir accepté de faire le déplacement avec moi. C'est, beaucoup reste encore à faire et le temps presse. Cependant, grâce à l'excellente coopération entre le gouvernement nigérien, le système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les partenaires techniques et financiers, je suis confiant que nous réussirons à relever ces nouveaux défis qui viennent d'aggraver une situation humanitaire déjà préoccupante et à contribuer au développement économique et social de cette région à fort potentiel. Il s'agit de renforcer l'espoir un avenir meilleur de ces populations, notamment les femmes et les jeunes. Pour ma part, ce que je ne manquerai aucun effort pour être le porte-parole et appuyer les plaidoyers de la communauté humanitaire auprès du Conseil de sécurité. Je souhaite à tous et à tous un bon courage au bénéfice des populations nigériennes. Le message de compassion du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, hier à Difa, il a également promis d'être le porte-parole de la communauté humanitaire auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son déplacement, il était accompagné de, du représentant résident du système des Nations Unies, Foden Ndiaye, et du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, pour Laon Magaji. La situation était en train de s'améliorer sur le terrain, et ce pour diverses raisons. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant régional, la DIFA, Adam Bobo Karna. L'amélioration des conditions de vie, c'est que euh, déjà le problème de l'eau est réglé. Le problème de l'alimentation également. Le problème que peut-être les gens ont posé euh, tout à l'heure, il y a près de 2000 personnes qui sont venues s'ajouter en moins de 3 à 4 jours. Alors là, il faut être euh, prudent, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'au niveau du recensement, il y a des gens qui se recensent sur plusieurs sites C'est pas impossible. Si les distributions se font par exemple les, à des jours différents, ça peut arriver que des gens s'inscrivent dans des différents sites. Mais tous ceux qui étaient sur les sites ont témoigné qu'ils reçoivent régulièrement leur approvisionnement mensuel. C'est pour ça que j'ai dit la situation s'est améliorée. Parce qu'en matière de santé également, il y a une centaine de personnes au niveau de ces que nous avons visitées qui viennent en consultation, qui reçoivent des traitements gratuits. S'améliorer aussi parce que les déplacés internes commencent à retourner chez eux. Ça veut dire qu'il y a une accalmie qui les rassure pour qu'ils retournent chez eux. Il y a beaucoup qui disent le contraire. C'est normal. Tu as quitté ta maison nuitamment, tu n'as rien pris. Aujourd'hui, tant que tu n'as pas la garantie que la sécurité est sur place et que tu seras sécurisé, tu ne vas pas te, présenter dans les villages. Ce qui l'ont dit, c'est surtout euh, les villages qui sont au bord du lac. Par exemple, Yébi, par exemple, Barwa. C'est des villages qui ont été attaqués à plusieurs fois. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas. aider. le retour dans ces villages Bazibi est volontaire. C'est un retour volontaire. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux que la situation est maîtrisée, moi je comprends leur inquiétude et c'est normal qu'ils disent qu'ils vont partir lorsque la situation sera beaucoup plus normalisée. Oui, ceux qui sont sur place, qui étaient dans le village, est-ce qu'il y a une prise en charge Oui, les familles qui sont retournées au niveau donc de Bosso et au niveau de Tumour reçoivent un appui de l'État. C'est l'État qui donne l'appui comme il est, fait au niveau du camp des déplacés actuellement. Donc tous ceux qui retournent, au fur et à mesure qu'ils arrivent, il y a une distribution gratuite que l'État est en train d'organiser à leur faveur. Alors l'État a tous ses moyens pour soutenir euh, selon Oui, l'État a les moyens, a des moyens de, pouvoir soutenir autant qu'il peut, ça c'est sûr. Mais il a aussi tendu la main, le Premier ministre a lancé un appel à l'ensemble des pays amis, à l'ensemble des humanitaires pour venir en aide au Niger par rapport à ces déplacés. 280 personnes qui se déplacent, voyez-vous, c'est beaucoup. Voilà le ministre euh, de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, au Magaji, faisant le point de la situation humanitaire dans la région de Difa. La situation humanitaire et sécuritaire s'est dégradée dans la région de Difa du fait des actions de Boko Haram et selon le général Thomas Walser, chef de l'AFRICOM, le, commandement central de l'armée américaine pour l'Afrique, une scission se serait produite au sein de Boko Haram. Selon lui, la moitié des effectifs djihadistes auraient fondé un groupe distinct il reproche au leader Akar Shekau de ne pas suivre les consignes du groupe État islamique auquel il est soumis depuis son allégeance. La dissidence remonterait à plusieurs mois et trouverait notamment son origine, selon le général américain, dans le refus de Shekau de mettre fin aux attentats kamikazes réalisés par des enfants. Quels sont les différents points de divergence qui expliqueraient cette dissidence Faut-il s'attendre à un changement de stratégie dans les actions de Boko Haram Vincent Fouché, analyste au sein de l'organisation internationale Crisis Group basée à Dakar au Sénégal, répond aux questions de Alassane Kouzi Mamoud, qui l'a joint au téléphone. Bonsoir, monsieur Vincent Fouché. Bonsoir. Euh, selon le commandant de la force américaine en Afrique, AFRICOM, une scission se serait produite au sein du groupe euh, Boko Haram. Quelles sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle par rapport à cette question Ça fait longtemps qu'on parle de scission au sein de Boko Haram et dans des sens assez contradictoires. Certaines sources euh, indiquent une scission euh, plutôt en faveur de AFMI, d'où venaient certains des, des semble-t-il, certains des combattants de, de donc un mouvement euh, qui avait euh, rejoint, qui avait, en fait fusionné hein, avec Boko Haram. D'autres signalent, et c'est le cas du, du général Wallhauser, effectivement, euh, qu'il euh, y aurait une série de, de, de gens de, de, Boko qui seraient euh, mécontents de la ligne de Chekao, du fait qu'il maintient trop de distance avec l'État islamique et qui serait sur une ligne plus État islamique. C'est assez difficile de trancher. Hein. Il y a, comme souvent sur, sur Boko Haram, il y a, il y a différentes versions, différentes lectures des organigrammes. Il y a beaucoup de confusion dans tout ça. disons qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a des, des, divergences internes actuellement. D'abord parce qu'il y en a eu par le passé, Ensuite, parce que le mouvement a, quand même subi euh, ces derniers temps une, montée en puissance euh, de la réponse nigériane et de la réponse régionale, et donc qui, a tendance à fragmenter probablement un peu les fronts, à, à distendre les liens entre les différents fronts. Donc euh, cette hypothèse de, dissension interne est, est, assez plausible. Cette branche dissidente reproche à Aboubakar Shekau l'utilisation d'attentats kamikazes d'enfants. Oui, alors effectivement, euh, il y a beaucoup d'éléments de, discussion hein, qui, sont mentionnés. Il y a des gens qui disent que la discussion, c'est est-ce qu'il faut aller du côté de l'État islamique ou du côté d'ACMI euh, La discussion, c'est est-ce qu'il faut ou non employer de la violence contre les civils ou est-ce qu'il faut au contraire euh, cibler plutôt des cibles militaires voire même des cibles euh, occidentales, hein, à quoi est-ce qu'il faut consacrer plus d'efforts Donc il y a visiblement des, des discussions sur tous ces sujets-là au sein au sein de Boko Haram une euh, fois encore, il n'est pas clair du tout qu'il y ait une seule, une seule euh, scission. Il y a peut-être plusieurs, euh, plusieurs factions hein, différentes au, sein de Boko Haram certaines qui collaborent peut-être un peu entre elles, d'autres qui sont plus éloignées. Voilà, je crois qu'il ne faut pas réduire ces, divisions à, à, un seul élément. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a vu une baisse du nombre d'attentats suicides utilisant des enfants. Hein. Les dernières tentatives à Maïdougouri, par exemple, ont utilisé des, des, hommes adultes. On, on, a voir une petite transformation dans l'utilisation des, kamikazes. Est-ce que ça témoigne de ce débat là euh, Je crois qu'il est encore un petit peu tôt pour, euh, pour le dire. Quelle est la conséquence immédiate de ce genre de dissidence Bon, pour le moment, euh, on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'on voit Boko Haram, encore enfin, sur la défensive, certainement, mais, encore capable d'action. On a eu des actions récemment, le Niger en a, été témoin. on voit aussi hein, des, combats qui sont signalés autour de la Sambisa. Euh, on a encore un mouvement euh, assez actif. Mais, mais, ce qui est vrai, c'est que si les scissions euh, sont confirmées, ça va affaiblir certainement la, la capacité de Boko Haram à opérer sur un large, un espace, à des ressources, aussi la capacité à connecter euh, à des espaces euh, extérieurs comme euh, bon, la Libye, la zone, la zone du Mali, du, du, du, Sahel occidental, hein, la zone Mali. Voilà, ça, va sans doute affecter la, capacité opérationnelle de Boko Haram. Mais est-ce que la branche qui qui est beaucoup plus enclin à suivre les principes, les consignes de l'État islamique ne serait pas tentée de de vouloir se joindre justement à l'État islamique alors on entend là aussi, hein, euh, il y a des choses extrêmement variées qui circulent sur euh, les relations entre l'État islamique en Libye et puis euh, le bassin du lac Tchad. certaines sources indiquent qu'il y a des combattants qui, qui ont quitté depuis un certain temps déjà vers la Libye, de peut-être même de différentes factions. mais pourquoi sont-ils partis Ils sont partis du durablement Est-ce qu'ils sont partis juste pour des apprentissages avant de revenir euh, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont partis Est-ce que c'est vraiment significatif Est-ce que ça va affecter les dynamiques même de, Boko Haram ou des factions qui composent Boko Haram euh, Là-dessus encore, euh, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre vraiment avec certitude pour le moment. Il y a quelques jours, le nom d'un certain Bana Blachera circule comme quoi c'est lui qui serait le nouveau chef de Boko Haram. Oui, alors euh, là aussi, hein, effectivement, euh, le, nom a été mentionné à, à différentes entreprises par, euh, par des spécialistes et des journalistes de la zone. Bon, il y a d'autres noms qui circulent aussi, hein, comme chef supposé des, des, des, factions, de la faction des factions qui opèrent, notamment sur le lac Tchad et le long de, de la Komadougou. Euh, nous, d'autres sources, on invite d'autres noms. Boulachera, on semble-t-il, de notre côté, on, on, on entend dire qu'il est plutôt du côté du Cameroun. Il est d'ailleurs originaire de, de, cette zone-là, de, de Boulachera, justement qui est situé entre, enfin, côté nigérian, mais juste à côté de la frontière camerounaise. C'est très compliqué aussi. On a euh, beaucoup de gens, on nous a montré plusieurs fois qu'ils étaient morts et qu'ils sont réapparus. C'est le cas de, Blachera, donc on m'a dit qu'il était mort déjà euh, une fois. Euh, pour une bonne part des pseudonymes, les gens peuvent reprendre les pseudonymes d'anciens chefs. De ce point de vue, là aussi, il faut être très, très, très, très prudent. Vous, disiez tout à l'heure que, en dehors du nom de Bana Blachera, d'autres noms circulent qui seraient à la tête de certaines factions de Boko Haram. On peut savoir lesquels Alors, on parle beaucoup de Maman Nour, hein, qui est un des disciples euh, de Mohamed Youssouf, le fondateur de, Boko Haram, euh, qui euh, aurait euh, reconquis en influence sur le mouvement. On entend aussi parler d'un certain Kabirou. Euh, mais une fois encore, hein, euh, c'est la cartographie du leadership euh, de Boko Haram est vraiment extrêmement difficile à faire. Ces gens-là, ils opèrent, ils opèrent dans quelle dans quelle zone, à votre connaissance Je, m'en voudrais d'ajouter l'erreur à l'erreur. Je préfère ne pas y mhm. D'après ce que je comprends, ils opèrent plutôt vers le nord, hein, autour du lac Tchad. voilà. Maintenant, je n'ai pas suffisamment d'éléments solides pour pour, pour, dire des choses définitives là-dessus. Mhm. Face à cette dissidence dont on parle, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de stratégie et de cible de la part de Boko Haram Oui, euh, effectivement, hein, parce que si effectivement le débat euh, apporte sur la nature de la lutte, les moyens à utiliser et puis les objectifs, euh, ça va probablement affecter euh, la manière dont, dont, les différentes factions vont, vont, vont, opérer. On a vu que Boko Haram euh, avait, selon les moments de son histoire, utilisé des méthodes assez différentes, avait été capable d'innover, avait, avait appris au fond de, de nouvelles techniques militaires. Hein. Les, les, les, attentats c'était quelque chose qui est venu, euh, qui n'était pas là au début du mouvement. Euh, de même, récemment, on a vu une, une massification, l'utilisation des, des, des, des, engins explosifs improvisés. là aussi, hein, c'est, quelque chose de, de, récent. Donc on sait que c'est une organisation qui est capable de, de transformer son mode d'action. Il est probable que les, les modifications dans l'équilibre vont changer euh, les, modes opérationnels. Alors si on voit la dernière, ces derniers temps comment Boko Haram est en train de s'acharner contre le Niger, c'est plutôt des attaques euh, frontales que ces derniers sont en train d'opérer. Est-ce qu'on peut dire que cette euh, branche dissidente c'est elle qui est en train d'opérer Là aussi, euh, il me semble que c'est un peu trop tôt pour, euh, pour se prononcer. Euh, est-ce que c'est le groupe plutôt pro-ACMI Est-ce que c'est plutôt ces, radicaux pro-État islamique dont, parlait le, général américain Ça peut être l'un ou l'autre, hein, soyons prudents. Effectivement, ce qui semble, c'est qu'il y a une, montée en, tension hein, du côté de la, de la, frontière nigérienne avec cette grosse attaque de Bosso. Euh, bon, il y a aussi quand même pas mal d'attaques de harcèlement, d'attaques de pillage hein, pour, euh, pour euh, assembler, rassembler des, des, des, médicaments ou des livres. Euh, donc on n'est pas non plus dans une innovation totale, dans une rupture totale par rapport à ce que Boko Haram fait ailleurs. C'est vrai que c'est quand même visiblement un mouvement qui a des problèmes de ressources, euh, et donc, euh, quand vous dites attaque frontale, bon, il y a eu l'attaque de Bosso, mais l'attaque de Bosso, c'était quand même aussi pour beaucoup une attaque de, de pillage. C'était, euh, c'était pas forcément une attaque de conquête. Est-ce que l'utilisation des kamikazes euh, n'a pas n'a pas baissé sensiblement Oui, oui, effectivement. Alors, notamment hein, des, des, kamikazes enfants. Euh, les derniers attentats, c'est les derniers c'est plutôt des attentats avec des, adultes. Euh, on avait vu que les attentats avec les jeunes femmes ou avec les enfants euh, avaient au fond échoué assez souvent. Il y a eu beaucoup d'échecs, d'attentats mis en échec, notamment du côté du Cameroun. Peut-être qu'il y a aussi des raisons techniques. Hein. Et puis par ailleurs, on a vu aussi que les Camerounais avaient, démantelé et les Nigérians. Euh, avait démantelé certaines bases de fabrication euh, d'explosifs, euh, de, de, de, vestes piégées. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur la capacité des mouvement à, opérer ce genre d'attaque. Vincent Fouché, je vous remercie. Voilà notre reporter Alassane Kouzimomed avec euh, Vincent Fouché, analyste au sein de l'organisation internationale Crisis Group basée à Dakar au Sénégal. Et c'est par rapport à l'information selon laquelle Boko Haram est en dissension. Après la situation de Difa, nous allons parler d'un autre phénomène préoccupant au Niger, c'est celui de la migration. Une mission de l'Union africaine, de la CEDAO et de l'OIM Afrique de l'Ouest et depuis ce matin à Agadez, la mission a visité le centre de transit et a rencontré les autorités locales. Notre reporter, Mouss Moman a joint le maire de la commune d'Agadez qui nous fait le point sur l'arrivée de cette mission. Effectivement, ce matin, nous avons pu euh, rencontrer une très forte délégation venue effectivement à travers l'OIM, donc l'Organisation de migration internationale, donc des différents responsables donc, de son directeur pour la zone Afrique, des représentants de l'Union africaine dans le cadre des migrations, de la CDAO également, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur à travers son secrétaire général, une très forte délégation en tout cas, qui est venue pour échanger à la fois avec les responsables administratifs et coutumiers de la région d'Agadez sur la question de comme vous savez, Agadez est un point de trace des migrations, de point de départ de toutes les migrations, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, Agadez, le point de départ aussi des migrants nigériens qui vont aussi à la fois dans les pays à côté. Donc, euh, cette mission a objet surtout donc, de voir dans quelle mesure, effectivement, la migration pourrait être euh, cadrée, la rendre régulière et pouvoir contrôler tous les flux migratoires qui se passent autour d'Agadez. Donc, euh, cette mission est venue pour s'enquérir, effectivement, des conditions dans lesquelles fonctionnent d'abord les lien qui est la principale agence qui traite de la question des migrations au niveau de la ville d'Agadez, avec son centre et son point d'écoute qui accueille les migrants qui ont les migrants en cas de difficulté ou les migrants effectivement qui ont des difficultés lorsque, au bout de l'aventure, ils reviennent ou ils souhaiteraient rentrer dans leur pays d'accueil. L'OIM, en fait, à travers son projet d'intégration, les, formes, les, aides à monter un projet de donc de retour euh, chez eux, puisqu'ils ont fait effectivement le choix après tant de péripéties, après tant d'aventures, après avoir frôlé la mort parfois, il décide enfin, finalement, de revenir au centre d'Agadez et pouvoir choisir leur propre projet, le monter avec le lien et pouvoir rentrer chez eux. Voilà en fait euh, une des questions qui a été discutée au cours de saint mais aussi quelles sont les incidences euh, que pourrait effectivement bénéficier à la fois la ville d'Agadez, mais aussi euh, les populations en général d'Agadez aussi qui subissent la démographique, la plutôt des migrants qui viennent à grès qui vivent dans ce que nous appelons les ghettos qui euh, ont été bien sûr interdits. Normalement, la loi les interdit, mais c'est de tout le corollaire qui tourne autour de la question des migrations. Comme vous le savez, la migration, c'est pas forcément ces gens-là que nous voyons venir passer, passer en Libye, mais autour et à côté, il y a plusieurs euh, euh, activités illicites, notamment, qui sont interdites, les trafics, les trafics, les transports des, armes, etc., Voilà le maire d'Agadez euh, sur la mission, une, forte mission de la CDAO, de l'Union africaine et de l'OIM Agadez sur euh, une mission qui est en visite au centre de Agadez. Pour, ils ont notamment visité le centre de transit et ont discuté de la question de la migration avec les autorités locales. Retenez aussi l'ouverture ce matin au Palais de Congrès de Niamey de la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications, de la poste et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication de l'espace CEDAO. E les ministres réfléchissent sur la voie à suivre pour booster le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Je vous propose de suivre les explications de Hiro Adamou, il est expert des TIC. Ces nouvelles technologies constituent un défi majeur des temps modernes au regard des multiples applications qu'on peut en faire, des plus utiles aux plus pernicieux. Des plus utiles, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour l'éducation à distance, pour euh, la santé à distance, pour le commerce électronique. Les autorités politiques vont aussi un peu se pencher sur la question des effets pernicieux, dont notamment la cybercriminalité, contexte sécuritaire oblige parce qu'il est connu que le tourisme aussi fait recours à ces nouvelles technologies de l'information et la communication. Donc globalement, il s'agit pour les ministres d'entériner les travaux que les experts ont déjà eu à faire depuis euh, trois jours. Quels sont les défis auxquels les Nigériens sont confrontés par rapport à l'Internet S'agissant spécifiquement de notre pays, les défis et les enjeux sont les mêmes. Vous avez dans sa déclaration de politique générale, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a réservé tout un pan au développement de ces nouvelles technologies. Ces défis sont le développement du large band, l'accès à Internet, l'accès même à la téléphonie vocale, parce qu'on n'en a pas fini, parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable que dans un village, qu'un feu de brousse, un incendie, une attaque, une question d'insécurité se pose et qu'on dise qu'un village n'est pas la couverture téléphonique à travers laquelle on peut joindre les services de sécurité les sapeurs-pompiers. Donc, c'est un défi de développement à travers ces nouvelles technologies. On les appelle communément autoroutes de l'information pour un peu paraphraser le fait qu'un village traversé par une route, une autoroute, ne connaît pas le même degré de développement qu'un village qui ne l'est pas. Tout comme un village qui est interconnecté par la téléphonie ou par Internet ne peut se développer eh, par rapport à celui qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment des outils de développement et comme outils il y a des usages utiles que certains usagers envoient, il y a des usages pernicieux que les usagers peuvent en faire. Donc l'objet de cette euh, rencontre est de booster le développement sain de ces nouvelles technologies pour la, la prospérité de nos États. Est-ce que toutes les régions du Niger sont couvertes euh, par Internet de la même façon Évidemment, toutes les villes du Niger ne sont pas couvertes par Internet, même pas par la téléphonie. C'est pourquoi d'ailleurs, son Excellence, dans son discours, disait que le, son objectif est de porter le taux de pénétration à 100% de la population et le taux euh, de couverture à 100%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule région du Niger, un seul village où au moins vous n'avez pas la couverture téléphonique. Avoir la couverture téléphonique, ça ne veut pas dire que tout un chacun a droit. Mais au moins, il faut qu'il y ait la couverture hier. Si vous avez votre portable, qu'on ne vous dise pas qu'aucun opérateur de télécommunication n'a déployé une infrastructure. Et c'est ça qu'on appelle politiquement la stratégie d'accès universel. Il faut que, de manière universelle, que chacun ait la possibilité d'utiliser cette, cette technologie. Ce qui n'est pas à confondre que chacun utilise. Il y a aussi les questions de la formation. Parce que pour utiliser, il faut avoir une certaine connaissance, même si il y a un certain lien entre l'analphabétisme et l'usage de ces nouvelles euh, technologies de l'information et de la communication. L'expert en, technique de l'information et de la communication, Hiro Adamou, sur la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications, de la poste et des nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'espace CEDAO. Le dernier aspect de ce forum traite du mois béni de Ramadan. Nous avons en effet approché Cheikh Ben Salah pour mieux savoir sur l'importance des trois différentes décades de ce mois. Je vous propose de suivre ses explications. C'est vrai que chaque mois, l'on peut être amené à considérer dans le calendrier grégorien ou le calendrier musulman se divise en trois décades de façon arithmétique, ça c'est clair. Mais on parle plus des décades pendant le mois béni de Ramadan que pour tout autre mois. Parce que tout simplement, le mois béni de Ramadan, le messie d'Allah sallallahu alayhi wa l'a dit que c'est un mois pas comme les autres. C'est un mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde infinie, dans sa bonté infinie, nous a fixé un rendez-vous, une audience avec sa sainteté, afin de nous permettre de rectifier le tir, de faire le plein de bonnes œuvres et de nous voir pardonner grâce à la fontaine de toutes les miséricordes qu'est Allah subhanahu wa ta'ala, tous nos péchés aussi grands, aussi nombreux et aussi compliqués fussent-ils. Il y allait jusqu'à dire que lorsque le croissant lunaire du mois béni de Ramadan apparaît au firmament, Allah ordonne à ses anges d'arrêter de lui rendre les louanges et de demander pardon pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa Il y allait jusqu'à dire sallallahu alayhi wa sallam que pendant ce mois, toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les occasions nous sont offertes pour y accéder. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tous les moyens nous sont donnés pour nous emparer. Les démons sont passés aux chaînes qui le reste pour toujours, Ya Rabbal Et justement, et c'est votre question, le messager d'Allah a divisé ce mois en trois décades. Et il a dit, et il faut lui, pour passer certaines informations, lui qui a ces informations du septième ciel, que la première des quatre de ce mois est Rahma, miséricorde divine. Deuxième des quatre de ce mois est Maghfira, pardon des péchés. Troisième des quatre de ce mois est Itkun Minanar, affranchissement de l'enfer. Ce n'est pas des éléments ou bien des gens qui sont réunis pour dire faisons les choses par des quatre. J'aimerais préciser, c'est vrai, il faut le faire, que d'abord, ce n'est pas on n'a pas hérité cela de l'histoire ni des traditions, que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la lumière du Coran et sous l'éclairage bien guidé de son Seigneur, le Seigneur de l'univers, qui va nous diviser ce mois béni de Ramadan en des quatre. Il est bon d'ailleurs, pour recentrer les choses dans l'histoire, de rappeler que le mois béni de Ramadan a été institué comme mois de jeûne obligatoire aux croyants de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quatrième pilier de l'islam, un lundi 2 du mois de Sha'ban de l'an 2 de l'égir de notre loyal et d'une de fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers Médine, soit en 624 de l'ère grégorienne. Donc, en parlant de décade, on l'a vu tout de suite, les décades concernent surtout le mois béni de Ramadan. Et comme le mois béni de Ramadan a commencé en tant que mois de jeûne obligatoire avec la révélation du Coran, et d'ailleurs pratiquement 15 ans après le début de la révélation coranique, pas à la Mecque mais à Médine, alors les décades vont avec le Ramadan et ces décades émanent du Seigneur de l'univers. Lui seul. Lui seul. Il est le seul législateur en islam. Et celui qui dit que la première décade, et surtout d'ailleurs, il faut retenir aussi, et c'est important, que toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Allah dit qu'il est à lui. Que s'est-il passé On a montré au messager d'Allah sallallahu un barème pour toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, en termes de sanctions ou de récompenses même pour une brindille qu'on note de la mosquée. On prend de la mosquée, on l'enlève, voilà ta récompense qui t'attend dans ta balance de bonnes œuvres auprès du Seigneur de l'univers. Mais nulle part, dans ce barème, ne figure le jeûne. Alors le messager a demandé au son Seigneur, il y a Allah, mais il n'y a pas le jeûne. Il est clair que notre Seigneur n'est pas sujet à l'oubli. Le Seigneur dira, le jeûne n'apparaît pas parce qu'il est à moi. Tout le reste, est à vous. Il est à moi. Quand le Seigneur de l'univers qui subsiste par lui-même, par qui tout subsiste, Al-Hayyu Al-Qayyum, dit que telle chose lui appartient, que c'est à lui, cela peut se passer de tout commentaire. On peut ne pas faire les trois décades et avoir euh, les mêmes récompenses, non En fait, quand vous vous engagez dans le jeûne, si vous faites tout le mois, nécessairement vous aurez fait tous les, les trois décades. Si vous jeûnez le mois béni de Ramadan, vous entrez dans ce mois béni de Ramadan dans l'intention sincère de répondre à un commandement du Coran dans l'intention de nous élever vers le Très-Haut, d'obtenir son agrément, de rencontrer sa face, quand on joue le moins, même si on ne sait pas qu'on est passé d'une décade à une autre, il n'y a pas de problème du tout, on aura réussi notre ramadan. Mais il est bon de le savoir que plus le jeûne avance dans le temps, plus ça devient difficile par rapport à la faim, à la soif, au manque de sommeil, mieux la récompense est grande. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Rahman, j'ai dit, première décade, miséricorde, pour qui Pour celles-là et ceux-là qui, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant le jeûne déjà, étaient dans le bien, dans la religion, dans le vrai, dans la vérité, dans l'obéissance à Allah, et qui ont accueilli ce mois dans les conditions les meilleures, jeûnant ces jours, restant éveillés autant que faire se peut une partie de la nuit, c'est eux que ça concerne. Ils sont déjà des musulmans vertueux miséricorde divine. Ils sont dans la miséricorde divine. Deuxième décade, marfira, pardon des péchés, c'est pour ceux-là qui, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont sur la voie de Dieu, mais ont commis des péchés, des petits péchés. Allah passe l'éponge pendant cette deuxième décade. La troisième décade, c'est la crème de la crème, le meilleur du meilleur, c'est le sommet. Et minanar, affranchissement de l'enfer. Et il faut le signaler. Ça, c'est la dernière décade. C'est la dernière décade. minanar. Et ça devient difficile. Déjà 20 jours derrière nous, de faim, de soif, dans la crainte et dans l'amour d'Allah. Et on est la dernière décade. Et cette dernière décade, ce n'est pas, vous m'avez pas demandé, mais je ne peux pas parler de dernière décade sans préciser et rappeler, je sais que beaucoup de gens le savent déjà, que cette dernière décade renferme la nuit de Qadr, Laylatul Qadr, qui est à rechercher. Pour qu'il y ait Laylatul Qadr, il faut qu'il y ait Ramadan. Pour qu'il y ait lettres Qadr, il faut qu'il y ait dernière décade. Pour qu'il y ait lettres Qadr, les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Raison pour laquelle, lorsque la dernière décade entre, le messager devient un autre homme. Sallallahu alayhi wa sallam, selon ses épouses. Qu'Allah les agrée toutes. Il plie sa natte plus question de dormir, autant que faire se peut, dans le cadre de l'humainement possible. Il attache sa ceinture, plus de rapports intimes avec ses, épouses. Et il s'adonne à l'iktikaf, la retraite spirituelle à la mosquée, pour être en phase, pour régler sa montre à l'heure du septième ciel et la bouloquer pendant ces dix jours. Voilà, Cheikh Ben Salah sur l'importance des décades du mois de Ramadan. Ainsi s'achève ce forum. Euh, merci de nous suivre, chers auditeurs. Merci à la coordination technique. On se retrouve demain pour le forum de la presse à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonsoir.